bienvenue euh, à votre émission euh, Manère Club Sport, la première. Et pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Docteur Dr Mohamed Diouf, ancien président de la Fédération de natation pendant 19 ans. On parlera de son parcours. Et à ma droite, Malik Fall, ancien champion d'Afrique de natation, membre aujourd'hui de la Fédération aussi de, natation, entraîneur adjoint national et aussi entraîneur au centre de la Fédération internationale de natation. Le plaisir de parler de natation, justement, pour commencer cette émission qu'on fait aussi bien en Wolof qu'en français. Pourquoi Parce qu'il y a quelques jours de cela, l'équipe nationale de natation était à pour les besoins du championnat d'Afrique qui sont revenus, l'équipe est revenue avec trois médailles, dont une d'argent et deux de bronze, mais on parlera au cours de, de cette émission aussi bien de de ces championnats, de la préparation rocambolesque, si on peut dire, euh, que ce le président, euh, docteur Mohamed. Euh, voilà. D'abord, bonjour d'être venu, d'être les premiers à être notre émission. Merci, merci. C'est un honneur, en tout cas, pour la natation, d'être là pour la première émission de. Madera, Madeira. Alors, c'est Madera mais on peut dire le Sport. Madeira le Sport. C'est vraiment un honneur. Et d'être là et d'être avec toi, de partager cette émission. C'est plutôt moi qui suis énervé hein, y a des champions, à ma gauche comme à Europe, que des champions. Euh, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation et merci aussi pour cette, euh, cette opportunité en tout cas. Euh, et merci aussi à ceux qui nous regardent. très bien. Alors, président, docteur Mohamed, l'équipe était récemment à, à Tunis. On peut revenir un peu sur justement la tenue de l'équipe nationale à Tunis Oui, euh, une équipe sénégalaise jeune euh, qui s'est très bien comportée, très bien comportée, euh, bien dirigée par son capitaine Ademanian et qui a été vaillante, vaillante d'abord par Unidio qui a eu deux médailles individuelles. C'est sans mettre papillon sa spécialité, où elle a perdu de deux dixièmes seulement euh, devant euh, une Sud-Africaine. Euh, elle a perdu son titre. Et aux 50 mètres, papillon, elle a eu une médaille de bronze. Alors, ce qui est encore le plus passionnant et le plus intéressant, c'est qu'on a une équipe de relais qui monte sur le podium. Parce que individuellement, on peut avoir un nageur, deux nageurs, euh, mais quand on arrive à avoir quatre nageurs qui arrivent à, euh, être côte à côte avec les Égyptiens, les Sud-Africains, avec l'Algérie, avec la Tunisie, et finalement devancer euh, la Tunisie chez elle, je rappelle que la Tunisie, en dehors de l'Afrique du Sud, c'est les deux pays qui ont les médailles olympiques en natation, hein, avec euh, Melouli et récemment à Tokyo, le jeune Tunisien. Donc euh, voilà, cette équipe, ils ont été braves, euh, extraordinaires, motivés, malgré une préparation euh, difficile, difficile, difficile. On y reviendra pour la préparation difficile. Alors c'est des motifs de satisfaction. L'ancien président de la fédération qui dit qu'il y a deux, deux dixièmes de peu, de peu le l'exploit se faisait, mm. et battre aussi la Tunisie chez elle. Euh, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on est satisfait euh, de ces résultats et peut-être par rapport aux, précédentes éditions de championnat d'Afrique euh, Exactement, comme l'a dit Mohamed, je pense que la satisfaction nous revient de quelque part hein, parce qu'on ne s'attendait pas à de telles performances surtout, vu ce qui s'était passé avant de partir à ces championnats d'Afrique. Euh, l'équipe s'est bien comportée, comme il a si bien signalé. Euh, le, capitaine de l'équipe était a joué son rôle, le staff a joué son rôle pour remotiver les troupes. Et puis euh, voilà, de voir que Oumi qui a raté la médaille de peu, la médaille d'or justement, parce que voilà, on attendait qu'elle puisse, enfin, enfin défendre son, titre qu'elle a eu euh, l'année dernière, mais je pense qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, et puis nous, nous sommes satisfaits de ses performances qu'elle a fait, des euh, performances surtout, comme l'a dit le président. Je ne veux pas répéter tout ce qu'il a dit, mais par contre, le relais, c'est à saluer, parce que quand même, être troisième, euh, parce que jusqu'au jusqu'au 300 mètres, on était devant. Donc euh, voilà, ça veut dire. C'est sur le tard, euh, sur l'arrivée, que, l'équipe s'est fait rattraper S'est fait rattraper par un jeu qui n'est pas vraiment encore expérimenté et qui a beaucoup appris, qui a fait son meilleur temps d'ailleurs, c'est qui est à saluer. Et euh, c'est une satisfaction. Mais en tout cas, le Sénégal l'a été l'année dernière, mais quatrième à chaque fois. Et on a été médaillé aussi à Boufontaine sur le relais. Là, ça prouve la santé de, la natation, encore une fois de plus, parce que c'est dans les relais qu'on peut, qu'on peut euh, enfin, euh, voir la santé d'une équipe. Alors, Président, on le disait tantôt, le relais est différent, c'est quand même quatre combats, autant pour moi, quatre nageurs euh, euh, qui, sont là, donc ce n'est pas individuel. Mais depuis quand on n'avait pas eu un tel résultat Troisième, ça fait longtemps que le Sénégal n'était pas monté sur le podium pour 4 euh, fois 100 Non, en 2021, voilà. Même L'année dernière, sont montés sur le podium. Même les filles. Même les filles sont montées sur le, sur le podium. Donc euh, voilà, ça montre tout simplement que voilà, l'équipe est présente. il faut reconnaître que le niveau de cette année était beaucoup plus élevé, était plus élevé que celui de l'année dernière. Parce que cette année, les championnats, c'était au Maghreb. Et donc, euh, la participation du Maghreb est beaucoup plus forte, euh, beaucoup plus présente. Et malgré ça, on a persisté et signé. Et, ce qui le prouve d'ailleurs, c'est le. Vous voyez, Oumi a été champion d'Afrique avec une 3 au sommet papillon. Et là, elle a nagé deux secondes plus vite que euh, l'année dernière et elle est médaillée d'argent. Donc du coup, euh, voilà, ça montre en fait que le niveau est beaucoup plus élevé que les, années précédentes. 1 une, je pense, et une, une 24. C'est ça qui la avec la Voilà, vous êtes euh, grosso modo satisfait de ces championnats. Y a-t-il eu des, records de battus, des records nationaux Oui, il y a eu quand même euh, six records qui ont été battus du Sénégal, dont les relais, et puis, individuel, euh, on a Steven, on a aussi euh, Oumi, euh, qui a battu aussi deux records, je crois. Et Steven qui a battu aussi deux records, plus les deux records de relais. Donc voilà, je pense que. Mais, mais, ce qu'il faut dire, c'est que on avait deux autres médailles mhm. sur le papier. Alors, vous savez, une semaine avant, nos nageurs étaient à, à Cognac. Où ça, Konya c'est les Jeux islamiques. D'accord, en Turquie. Et les temps que Stephen a réalisés dans ses spécialités lui auraient permis d'être sur le podium. Au 50 mètres d'eau, il a fait 26,38. La médaille de bronze a été gagnée en 26,68. Malheureusement, Steven, ses deux spécialités, le 100 papillon et le 50 d'eau, mhm. se sont déroulées le jour où il s'est réveillé à 6 heures du matin et il vomissait. Et pourquoi ça Qu'est-ce qu'il avait C'est gastro. Une gastro. C'est pour ça que le lendemain, le relais encore, était encore plus grandiose. Parce que Steven a nagé, s'est presque évanoui. Ah oui, il a laissé toute, euh, son énergie. Il, était malade de n'avoir pas pu disputer ses deux épreuves favorites. Mm-hmm. Le sans papillon. Je rappelle que le sans papillon a été gagné en 53-94 par un Ghanéen. Et ça, ça prouve aussi que la natation africaine est en train de de bouger. Et Steven a un record à 53,69. Donc, s'il nageait sur son record national, il gagnait le 100 papier. Et le 52 qui se faisait juste après, donc, lui aurait permis aussi d'avoir largement, parce que 3 dixièmes sur un 50 mètres, ça, euh, même fatigué, même tout, on ne peut pas faire plus. Donc, vous voyez, on aurait eu deux médailles. Bon, maintenant, le sans papillon, c'est aléatoire, on ne fait pas toujours son record. Mais il aurait pu avoir une médaille au sans papillon, et certes, ça c'est sûr, il aurait eu sa médaille au, 50 mètres Est-ce qu'il y a des conditions spéciales, euh, vraiment spéciales pour des performances Parce qu'on sait qu'il y a c'est vrai, vous êtes très satisfait, mais le départ pour Tunis ne s'est pas fait euh, très très très facilement. Alors, Comment, qu'est-ce qui s'est passé Comment vous avez eu à doper cette équipe qui, à Dakar, a eu à vivre On va revenir sur l'épisode de Dakar, justement, de la préparation escamotée. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe reste mobilisée eh, eh, eh, Il fallait mobiliser les troupes parce que, je me rappelle une semaine avant, je tiens à préciser, Oumidio, qui est en France, a tenu à venir ici faire sa préparation terminale avec l'équipe, avec le groupe. Très important. Et ça, tout le monde était très heureux et pour nous c'était important. Mais malheureusement, cela a plutôt été pour nous un échec, si on peut dire. Parce que je me rappelle que euh, plusieurs jours, elle a refusé de nager. Et pourquoi Parce qu'elle a dit qu'elle ne nage pas dans cette eau-là. La qualité de l'eau était quand même euh, incroyable. Quelle et Où sont la piscine olympique, là où les nageurs s'entraînent. C'était impossible je me rappelle une fois, on l'a pris à partie pour lui dire que tu es leader, tu dois le faire. Il dit, mais je, ne peux pas. Je rentrer dans cette eau. Et même, j'étais venu à la zone 2, mais après, euh, j'ai eu des, problèmes. Donc, c'était des situations, il fallait gérer cela. Heureusement, il y a d'autres piscines, on peut aller nager autre part, essayer de gérer. Et après, on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'elle fasse comme les autres. Et justement, pour performer dans la natation, dans, dans tous les domaines sportifs, il y a quand même des conditions. Alors, la piscine olympique, elle n'est pas adaptée pour une préparation pour les championnats d'Afrique. Sa qualité, en termes, je veux dire, d'accueil, de qualité, de l'eau euh, Moi, je pense que, euh, comme l'a a dit Mohamed, je tenais à souligner justement, avant de, revenir sur cette question très importante, c'est que on prend le cas de Steven, euh, qui était malade et le, le, il nage à son meilleur niveau. Ça veut dire que c'est vraiment euh, un lion qu'on a vu qui, est, qui, qui, c'est vraiment, qui, qui est un exemple pour moi, pour les autres. Donc au euh, mieux a peut-être manqué de... Ouais. Donc pour venir sur ça, pour venir sur, sur, sur, ça, je pense que euh, la piscine olympique, bon, on a, on a souvent des, problèmes d'eau, des fois on, vient, on rentre. Moi-même qui est entraîneur, je dis on ne rentre pas dans cette eau parce que quand même je suis assez responsable pour ne pas mettre des nageurs dans une eau Qu'est-ce qui est sale en rentrant dans cette eau euh, Parce que c'est pas dans les normes d'hygiène déjà dans un premier temps. Parce que voilà, d'ouvrir même une piscine dans, cette euh, situation ces, là donc Oumik, on l'a pris à, partir, on, lui a, lui dit, voilà, qu'elle doit se remotiver là-dessus, machin, ainsi de suite. Non, je peux pas. Euh, donc on va pas forcer quelqu'un. Euh, S'il y a des conséquences, euh, c'est nous, en fait, qui sommes responsables de ça. Donc du coup, euh, sa, préparation aussi pouvait être perturbée. Parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que l'aspect d'affûtage, comme on l'appelle dans, dans sport, c'est que quand on arrive à la fin pour préparer une compétition, on réduit justement le volume de l'entraînement et ainsi de suite. Et ça, c'est la partie pratiquement une euh, l'une des parties les plus importantes et les plus compliquées parce que c'est très personnel. Là, je parle technique, mais euh, euh, tu, peux rater, tu peux rater ta préparation. C'est là où on parle de préparation parce que le travail foncier avait déjà été après, c'est psychologique. Après, on rentre dans la compétition. Donc, du coup, euh, voilà, parce que bon, en fait, c'était très compliqué pour elle aussi de pouvoir rentrer dans l'eau. Parce que ces trois jours de perdu, c'est très, très, très. Parce que la, natation un sport très ingrat. Tu, t'arrêtes euh, une semaine, c'est comme si tu t'étais arrêté pendant un an. Quoi. Donc, du coup, c'était, c'était vraiment euh, un peu difficile mais quand même, on a pu euh, remotiver nos troupes euh, psychologiquement, mentalement, euh, pour qu'ils soient présents justement au, rendez-vous. Alors ça, c'était le cas de, tous les nageurs. Tous, ils appelaient pour dire est-ce que demain on peut nager de souvent, ils préféraient nager le matin, parce que le matin, l'eau est, est, plus propre. Parce que après les 700 personnes qui passent tous les jours, euh, l'état de l'eau, nous, nous, sommes, nous venons à 18h. Ah, Après ben, tout. Donc, c'était dans une situations très, très compliquées. Bon, mais dans les, euh, si je comprends bien, ça veut dire bon, il y a quand même euh, Steven qui, avec une gastro, a l'occasion de, quelques, de deux médailles, certaines. Mm -hmm. qui aurait pu faire mieux si psychologiquement il était mieux dans sa tête. Mhm. mais jusqu'à aujourd'hui, on a toujours pensé que la fédération de natation, sénégalaise de natation, et la piscine olympique, entre les deux, qu'il y avait un partenariat ou une convention qui permettait justement à l'équipe nationale de pouvoir performer parce que si je ne me trompe, c'est la seule piscine, peut-être qu'il y en a une autre à Dakar, mais ça doit être il y en a pas. <laughs> Donc c'est la seule piscine sur laquelle peut s'entraîner l'équipe nationale, aussi bien des garçons euh, masculines que féminines. Alors, qu'est-ce qui se passe et les clubs. Bon, en fait, euh, il y a toujours eu une convention hein, entre la mairie qui gère la piscine et la Fédération sénégalaise de natation. Euh, et il y a toujours eu des difficultés dans l'application de cette convention. Euh, mais je crois qu'aujourd'hui, ce, que, ce qui se pose aujourd'hui réellement, c'est la vocation de cette piscine. Cette piscine, comme tu l'as dit, c'est la seule piscine sportive qui permet une pratique sportive euh, sérieuse. Euh, si on veut faire du loisir, on peut le faire dans n'importe quelle piscine. Euh, toi, probablement, quand tu vas dans une piscine, tu veux te baigner, tu vas n'importe où et tu le fais. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation où les termes de la Convention, qui sont quand même des termes très précis, nous avons des créneaux horaires le matin, de 7h à 9h, de 18h à 20h. La piscine, la, direction de la piscine gère de 9h à 18h. Donc la fédération n'est pas présente, n'est pas impliquée à ces niveaux-là. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas empêcher à la piscine de gagner ou à la gestion, de gagner de l'argent. Jamais, jamais. La piscine passe son temps à, gérer cette truc. Alors, pour vous dire, avant, il y avait des, directeurs et des chefs de bassin qui avaient euh, l'envie d'aider et d'apporter un soutien à la fédération, qui permettait à certains de nos sportifs, qui sont étudiants, qui travaillent, de venir s'entraîner le matin ou vers... Euh, à d'autres heures. Parce que on disait que l'intérêt national. Ces directeurs-là avaient compris la vocation de cette piscine. Au-delà des créneaux offerts à la piscine, à la fédération, mais on autorisait certains sportifs de haut niveau, certains, qui puissent euh, venir s'entraîner. Mmh. Mais aujourd'hui, ce n'est même plus pensable. Et pourquoi ça Je veux dire, non seulement ça, peut être, ça peut poser problème, ce n'est plus pensable, euh, euh, euh, aujourd'hui nos un nageur, auraient pu avoir un couloir et nager à leur guise en fonction de leur disponibilité. C'est le bon sens, c'est le bon sens qui le veut. Mais non seulement on n'a pas ça, mais on est venu nous dire, voilà, maintenant, dans les heures que vous avez, de 18h à 20h, alors que de 9h à 18h, nous, on n'est pas présent, hein. ils exploitent. Dans ces heures-là, on veut récupérer les couloirs parce qu'on veut commercialiser. Encore, dans nos heures. Donc ça, ça fait quelques années. Et ça, on a dit, bon, si vous voulez tuer la natation, il faut la tuer. Et puis c'est fini. Donc il a fallu à ce moment, je me rappelle, l'implication du comité olympique qui est venu dire, stop, on arrête les plaisanteries. Cette piscine-là, c'est pour le sport. Et un protocole d'accord a été signé dans ce protocole d'accord, il est clairement dit que à 18, de 7h à 9h et de 18h à 20h, seule la fédération et c'est déjà, c'est déjà, seule la fédération doit fréquenter les bassins. Euh, dans le cadre d'un partenariat, parmi toutes les salles, il y a deux salles de musculation à la piscine. Certains ont dit des choses. Il y a deux salles de musculation et il y a une troisième salle. Dans le protocole du comité olympique, il est dit que cette salle-là, maintenant, reviendra à la fédération. Parce que la fédération avait aussi cherché des partenaires. Parce que dans la logique, tu as été au ministère des Sports, le ministère a toujours demandé aux fédérations, allez chercher des moyens additionnels. Nous sommes allés chercher des moyens additionnels pour chauffer la piscine, qui aurait dû coûter 80 millions. Des moyens additionnels pour équiper une salle de musculation pour les sportifs, alors qu'il y a deux autres salles pour la mairie, pour l'exploitation. Et c'est vous qui avez fait, je veux dire, la piscine est chauffée, cela fait les Non Ça, ce projet-là a été bloqué. Alors je tiens à, sur ce plan-là, remercier M. Khalifa Sall, le maire de Dakar, mhm. qui avait compris, qui avait une vision extraordinaire et qui s'est dit ça, c'est ce que nous voulons, que Dakar soit une plaque tournante, que Dakar soit la, capitale de la natation africaine. J'en profite pour remercier ce qui a suivi cela. Mais des blocages ont été faits pour que ça ne se réalise pas. Alors, si je comprends bien, le nouveau maire de Dakar, euh, Barthélémy Diaz... Je, voulais dire, non, Martin ah, nous a reçus, nous a reçus et il a des ambitions pour la natation sénégalaise. Ça ne transparaît pas pour le moment. Voilà, il nous a reçus et il a des ambitions. Alors, je suis sûr qu'il réglera ce, problème-là. Et, ce que je veux dire, c'est que quand je vous ai parlé du protocole, que cette salle qui était affectée, la nouvelle direction est venue, a écrit une lettre pour dire à maître d'art martial privé. qui pouvait aller occuper cette salle. Et cette salle a été défoncée. Alors que nous avons un protocole d'accord signé par le comité olympique, la direction de la piscine, euh, euh, euh, la mairie. Alors on ne sait plus, on nous dit que la signature du maire est moins importante que la signature du directeur de la piscine. Et c'est ce document-là que cette personne utilise pour fracasser. On aurait pu faire un rapport de force, mais ni, ni tout diamant. Mais, mais garçon, ni tout diamant. Mais quand nous, nous, gars, ne réagissez pas. Laissez-les. On prend nos bagages, on les jette de la salle. On informe les responsables de la mairie pour dire que ni tout diamant. Après, je vais le dire après, l'escalade L'escalade, c'est quoi Nous avons acheté des lignes Des lignes c'est ce qui permet de... si on calcule le dédouanement, toutes ces histoires, on n'est pas loin de 10 millions d'investissement. Il y avait des anciennes lignes Et la direction de la piscine, avec les techniciens, nous ont dit, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ces anciennes lignes Elles sont vieilles, et elle risque de détériorer la piscine. On est resté un an et demi. Nos champions, Adamani et tout ça, n'ont pas pu nager avec des lignes d'eau réglementaires. Quand vous allez dans le fait, boum, boum, bouillotac, avec euh, euh, euh, lignes pêcheurs et lignes utilisées. L'ol lañ doon fay mais nous ñun nangu pas ça olympique. un an et demi vous pouvez voir les photos les films Nous vous une vidéo suñu suñu plutôt suñu suñu euh, ligne ñu ñu jënd ko léegi ñu ne nañ ko dugal ci local bi mu bañ a yàqu parce que bu nekkee ci naaj bi day wow toj ñu ne déedéet lii bu fi am dañuy bàyyi yi màggetoon te ñu tere leen ngeen utiliser ko yooyu la ñuy bàyyi ca local ba yéen seen boy seen bos ci biti le koy bàyyi Quel est le bon sens L'homme moïse, moi je dirais que c'est... Euh, euh, euh, non, c'est-à-dire le bien public, c'est une détérioration du bien public. Parce que l'Indoyo, le président Maguedje, Mongo, Fédération Mongo, les autres, vous savez, elles ont fait 17 ans ici, en 2001. Elles ont été achetées au moment où la piscine a été construite. 2001, 2016. Nous n'avons mon fédès. Mais, alors. Mais, mais le problème bien, cette directrice est une directrice, certainement qui est là-bas, comme, comme, il semble, en tout cas, de la là Euh, Qu'en ont prénommé Alors, elle relève de, l'autorité du maire de Dakar ou du ministre des Sports Non, de, de, la mairie. C'est la mairie qui gère, c'est la mairie qui, qui, qui, gère, qui gère cette Qui gère ça. Question de Roger Wolof, parce que je pense que l'ancien champion, champion d'Afrique, plusieurs fois champion du Sénégal, Malik Fall a été même été pris à partie dès que la Semenage de Bouba, que tu le veux, d'autres sacs euh, non signés, prenez le sac le modèle. Donc c'est qu'en fait, bon, euh, la situation nous a surpris, là. nous avons surprendre de Gantan. Parce est devenu parce que je suis quand même responsable entre le, de euh, l'équipe nationale. De l'équipe nationale et du centre de développement de la FINA. Euh, j'avais mes nageurs préparés pour les championnats d'Afrique. Je les préparer pour les championnats d'Afrique euh, J'entends, bouche à oreille, que Pissimbi de Fauteuil, d'un ah, Je suis allé voir les responsables, j'ai envoyé un message aux responsables envoyer le message de ah, pour de, du quoi. Parce que là, c'est quand même important parce que mes nageurs partent dans quelques jours. Et puis voilà, donc dans la foulée, comme ça, je suis allé voir, euh, j'étais, j'avais l'intention, à mon les, responsables de la, de la la, la chef de, de, de bassin. Et puis, en ce moment-là, ce monsieur DTM, directeur technique national, est rentré. Et donc, quand il est rentré, je lui ai demandé bon, euh, quoi, comment on fait maintenant, euh, parce qu'on aurait pu nous le dire, parce que je suis quand même responsable de l'équipe nationale. Euh, qui euh, chef de bassin B ni à mon doigt il ne parle pas avec l'entraîneur national Hadman et que bon, parce que sama hiérarchie lay waxal ma que ki entraîneur national c'est une hiérarchie déjà mun nga waxtaan ak man parce que c'est moi moi qui gère les gamins donc du coup après ah, ah, euh, puis voilà je suis parti euh, voir le DTN ma ko bon euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant mu ne boy moom dina dem gis si ñi nga xamné ñoy gérer bisin les techniciens les ma xaar ko euh, mu ñëw mu ne ñu ngi wut solution léegi après en ce moment là am benn dame bu taxaw suñu kanam mais je savais pas qui c'était et j'ai appris que c'était la directrice. et donc dans ce cas-là avec nous, on ma ne non quoi on ne nous respecte pas quoi parce que quand même nous équipe nationale Nous ko prévenir sax ni ko piscine bi dañ koy tëj et en ce moment là bi ñu ñëw la piscine a été blindée de monde ñit ñi dañ fa bëri valeur et 18h, euh, euh, euh, entre 17h40, 17h50. Moi, tu dis 18h de nous libérer pour le d'affaires, nous hôtel piscine. Exactement. Donc, suñuy heure, au lieu de nous négocier avec nous, parce que suñuy heure il y xamante un si protocole la Et il y ngi di waaj de championnat d'Afrique. championnat d'Afrique de donc du coup. ak xaalisu mbooloo bi mooy le contribue, parce que ministre des sports oui, jox xaalis xaalisu contribuable. exactement donc nag ñun la suñu ne ah voilà bi waxé waxee ne voilà ñi daal dañuy yem daal voilà respecté ñu ñu natation quoi donc bi wax non rek euh, directrice bi daggal ma daggal xamantene ni ne nii saaga ma ñaar ñetti yoon ñetti yoon la ma sax ñetteelu yoon bi ma nekk man nak ñu du saaga sama yaa ma di ko bàyyi ma delloo ko saaga ma delloo ko saaga bi rek mais toute la foule qui y comme si c'était orchestré des gens qu'on ne ñoo xamantene ne mosuñu leen gis bi si ñëw rek attaquer ma poñe ma saaga dóor def lu nekk euh, voilà dañ tey la ñuy nangam taan dañuy nii jël toj bu dee ñëw jubal ci man dañ may jam si et puis euh, heureusement que y avait ñi nga xam ne dañu nekk si fédération bi ñoo doon ñëw ko ba kenn ki nga xam ne sax dafa doon daf ma doon protéger dañ ko dagg si loxo euh, donc du coup ñi gars yi xeex ba dugal ma ci biir locaalu pousse ba dugal ma ci biir locaalu fédération bi ñoo dugalee ci biir local bi ay nit ñëw ñoo xamante ay nervi yoo xamante ni ñëw fekk ñu si biir suñuy ay bureau relation foofu la am siège oui donc ñu fekk ñu suñu ay bureau ne daf ñuy dañuy door dañu nangam tànn bu ngeen génn piscine et pourtant c'était nos heures de 18 heures à 20 heures c'est l'équipe nationale du Sénégal. C'est l'équipe nationale du Sénégal qui se fait euh, euh, euh, maltraiter de cette façon. donc voilà, le, le, il fallait que me retrouver avec mes troupes. Voilà, Lille. On était à combien de jours de, championnat On était à, à, même pas une semaine. même une semaine. À hein. hein. hein. moins d'une semaine des championnats. Exactement. Exactement. À Tunis. Exactement. Qui ont eu lieu du 20 au 26. Et heureusement que, quand même, il faut remercier quand même Olympique Club, de devenu appeler sur le donc da ngeen quitté le ngeen quitté piscine bi pour ñëw fii si corniche. exactement. mais la fédération. Euh, elle a non mais man li ma bëgg a wax. tu sais tu sais qui, euh, presque 20 médailles africaines 20 médailles africaines Qui ku le tapis rouge ci piscine olympique. Maintenant que tout est, tu ne peux pas. C'est-à-dire que dans d'autres pays au monde, mais vous imaginez Michel Platini au Stade de France être malmené par quelqu'un, par le directeur du Stade de France. Est-ce que tu imagines ça C'est impensable. Est-ce que tu imagines ça C'est impensable. Pour n'importe quel grand joueur, pour n'importe quel joueur. Et ça C'est impensable parce qu'il ne le dit pas bien, mais c'est des nervis, des gens de 150 kilos qui l'ont qui menacé. Et quand je suis venu, parce qu'un parent de nageur m'a appelé, c'est même pas lui qui m'a appelé, c'est ni le directeur technique. C'est un parent de nageur qui m'avait d'abord appelé pour me dire ah, comme d'habitude, hein, aujourd'hui, il n'y a pas d'entraînement. Et j'avais pris mon téléphone pour commencer à appeler les autres nageurs pour leur dire, c'est pas la peine d'aller, il n'y a pas d'entraînement. Et trois minutes, cinq minutes après, il me dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, il y a des choses ici. Donc, celui-là, quand il va là-bas, on le regarde avec des... il est moins bien traité que le plus petit client de la piscine qui paie ses 1000 francs pour venir fréquenter la piscine. Tous les jours, on lui montre qu'il n'a pas sa place. Tous les jours, il est dans ses souliers. Quelqu'un qui a quitté son pays, qui a quitté la France plutôt, où il travaillait, qui vient pour entraîner des jeunes, parce que lui, il n'a pas eu cette chance. Il a été obligé à 16 ans d'aller en France, parce que les conditions, tout n'était pas réuni pour cela. Et nous, nous avons pensé, en collaboration avec, qu'il faut que nos sportifs puissent être encadrés ici. Aujourd'hui, Almagna était recordman jusqu'à il y a une semaine du Sénégal. Il n'est jamais sorti du Sénégal. Parce qu'il a une expertise ici. Parce que son père, qui est entraîneur, l'a entraîné ici. Parce qu'après, il a intégré le centre. Et il a pu être une de nos fiertés. Mais c'est pour revenir qui euh, Aujourd'hui, on devrait le décorer lors de je ne sais quoi. C'est pas quelqu'un qui va être menacé. Et quand je suis arrivé dans cette situation, on m'a injurié une directrice responsable d'une institution ne peut pas se mettre à injurier. Mais, euh, euh, si, et c'est ça le drame, je ne peux pas comprendre. Charles, nous avons commencé le combat pour une piscine, c'était en 1982. En 1982, cher Sidat que tu as connu, qui était l'ancien président de la fédération, moi, je me rappelle, il est venu me voir en 82. Il y a l'hôtel Savannah qui est là, c'est un hôtel privé. Qu'on appelait avant Lido. Qu'on appelait Lido. Mais euh, euh, si on ne fait rien, la natation va mourir. Déjà qu'on qu'une seule piscine olympique. C'était à l'époque la seule et on la perdue. Parce que l'hôtel a dit maintenant les 5 étoiles, on ne peut plus faire de la natation de masse. Il me dit qu'il faut qu'on se batte je peux voir la piscine et leur dire qu'au moins l'équipe nationale va nager. Et je me dis, c'est bien. Mais moi, le matin, je suis en stage à l'hôpital et le soir, je, vais à l'université. Je vous Je dis, qu'est-ce que je fais Il me dit, il reste entre midi et 15 heures. C'est comme ça pendant 9 ans. Lui, Malik Fall, pas ce Malik Fall, parce que Malik Fall, c'était mon leader, c'était mon patron, c'était mon capitaine d'équipe. Mhm. Malik Sambon Tchernoba, etc. Quelques-uns ont été autorisés à nager dans cette piscine. Et pendant 8 ans, on n'a jamais mangé chez nous à midi. Parce qu'entre midi et 15 heures, on allait s'entraîner. En 87, au jeu de Nairobi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de championnats, comme j'ai l'habitude de le dire, nous, moi en 20 ans d'équipe nationale, j'ai fait deux championnats d'Afrique. Deux, parce que c'était exceptionnel à l'époque. 87, déjà quand on nous félicitait, on est rentré dans le restaurant de Nairobi pour dire nous voulons une piscine, nous voulons une piscine. C'était ça, hein. c'était pas demander des prix, c'était pas demander ces nageurs-là, Malifa, Samboloy, euh, euh, euh, Tchernoba, se tuer, pas pour avoir, pour qu'il y ait une piscine. Et cette piscine-là est venue en 2000 dans les sept travaux du chef de l'État. Jamais je n'aurais pensé un jour que dans cette piscine, le plus grand nageur sénégalais de tous les temps et le nageur du siècle, puisque je suis né avant lui et j'ai eu la chance donc d'être nageur du siècle, aurait pu être malmené, maltraité. Je n'ose pas répéter ce qui m'a été dit la décence ne me permet pas de le faire. J'ai osé dire à des gens, ne me touchez pas, je suis dans le local de la fédération. Ne me touchez pas. Je préfère arrêter. Ne pas dire. Je préfère ne pas dire ça. Mais je dis, je tiens à dire que pour une fois, je remercie le personnel de la piscine olympique parce que ils ont tous été là à nous dire s'il vous plaît, ne réagissez pas. Ils vous Pourtant, ils nous connaissent et pourtant on n'a jamais eu de relation extraordinaire hein, parce que nous avions des contradictions, mais nous discutions. Ne réagissez pas, ne parlez pas. Et, c'est maintenant que je me dis qu'heureusement que je n'ai pas réagi. Parce que si j'avais réagi, je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas devant toi. C'est allé très loin, c'est allé très très loin cette affaire-là. Le Sénégal est quand même revenu avec des médailles. Mais qu'il faut-il faire aujourd'hui Est-ce que vous avez introduit une demande auprès du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, afin que cette affaire soit réglée, définitivement réglée, parce qu'il s'agit quand même d'une équipe nationale. On sait, euh, euh, les stades sont mis à la disposition de, de football, les stades de basket. Et tous ces établissements sont mis à la disposition des équipes nationales. Euh, il n'y a que pour la natation, et c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Au-delà de tout cela, dans la convention, on n'a pas parlé d'école de natation. Ils n'ont jamais voulu qu'on fasse école de natation. Hmm. Tout ça, ça fait partie. Mais il y a un protocole qui a été signé. Qui a été signé. Euh, euh, aujourd'hui, la première chose, je pense, c'est que nos institutions euh, méritent d'être dirigées par des, exemples. Il y a eu plus de 12, je pense, directeurs de piscine. 12 ou 13. Charles, tu n'as jamais entendu de ta vie la fédération s'adresser à une direction en certains termes on n'a jamais entendu un directeur d'une piscine, parce que vraiment, tous les directeurs qui sont passés, on a pu avoir des contradictions. Mais jamais, aucun d'eux, de Joe à Batili, à Madame Yaye, à... Euh, euh, euh, toutes, toutes les personnes qui sont passées, aucune n'a injurié, orchestré une vendetta et ça, moi je pense que ça doit être un exemple. Et j'ai l'impression que les gens ne voient pas la portée de la chose. La presse n'en a quasiment pas fait. La presse n'en a parlé. Ou très peu. Mais je veux dire, et on en a parlé en. Voilà, tel a dit ça, tel a dit ça. Et ça. C'est beaucoup bien plus grave. C'est plus grave. C'est bien plus grave. Vous vous sentez insulté. Euh, vous savez, je peux comprendre la réaction de certaines personnes. Mais vous savez ce que je ne peux pas comprendre C'est que j'ai beaucoup d'amis à la mairie de Dakar. Jusqu'à ce jour, personne n'a pris son téléphone pour m'appeler. Y a-t-il un problème entre... Je peux dire qu'il n'y a qu'une femme qui m'a appelé, l'ancienne maire de Dakar. Elle est à sa place. Vous me direz qu'elle est à sa place, je, suis je, je suis... vous savez, je suis moins choqué par ce qui s'est arrivé, parce que je me dis quand même, ça ne reflète pas les responsables de la mairie. Parce qu'il y en a eu 12 qui sont passés et vous n'avez jamais entendu ça. Jamais vu ça. Et vous pensez que c'est une situation qui va s'améliorer avec euh, En tout cas, vous êtes euh, entraîneur. Euh, adjoint national, euh, membre du bureau pendant 19 ans, président de la Fédération de natation, avant de passer la main à Maguettier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que Barthélémy Diaz, certainement maire de Dakar, qui n'est pas au courant de cette affaire, aujourd'hui, y a-t-il moyen, en tout cas, de. de, de, voilà. C'est ce qu'on espère. On espère et je pense et j'espère que Barthélémy n'est pas au courant de cette violence qui est à la piscine Parce que sinon, il aurait pris ses responsabilités et notamment le ministère du Sport, dont nous sommes délégués. Et aujourd'hui, euh, l'équipe nationale est malmenée, l'entraîneur national est malmené par des nervis arrivés dans notre lieu de travail. Et qu'est-ce qu'on veut offrir à ce, à ce peuple sénégalais Qu'est-ce qu'on veut pour ce, pour ce pays, en fait Est-ce qu'on veut instaurer une violence pareille où les gens peuvent attaquer qui ils veulent sans que personne réagisse, peut-être aujourd'hui je serais mort. Peut-être que si on n'avait pas intercepté cette personne avec ces tissons de bouteille qui, qui, fonçaient vers moi, je serais sûrement euh, mort aujourd'hui. Et pourtant, je signale ce que Mohamed disait tout à l'heure. Je me suis battu pour le secteur. Je me suis battu comme personne parce que je sais ce que j'ai pu faire pour ce pays. J'ai eu des, propositions de nationalité. Il, en est, il, il, le sait. Et je l'ai refusé parce qu'il fallait décomplexer la natation africaine. Je C'était même pas la natation sénégalaise, mais africaine que je Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégal monte même des relais au, au, championnat d'Afrique, c'est le travail de moi-même, c'est mon travail, c'est le fruit de, notre travail qui est là aujourd'hui. Donc on a besoin, on on a envie de voir qu'il y a des responsables dans ce pays. Qu'il y ait des responsables justement pour nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne veut pas réagir comme ces gens-là. Parce que sinon, ça va aller dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent nous laisser avec, avec la natation, qu'on ne peut même pas faire de, de l'école de natation qu'on a signalé Mohamed. On ne peut même pas développer notre natation parce qu'il y a deux, trois personnes, une chef de bassin qui est là, qui pose des problèmes tous les jours. Tous les jours que Dieu fait qui essaie de nuire la natation avec tous les moyens nécessaires. Parce que c'est là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, même de nous retrouver dans nos bureaux de la fédération pour nous frapper, pour nous dire de dégager d'ici. Moi, je, veux juste dire que euh, ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent. Justement, moi je voudrais bien qu'on en revienne un peu sur ça. Euh, Mohamed parlait de 20 ans une carrière de 20 ans, plusieurs fois champion d'Afrique, il va falloir peut-être plusieurs fois champion du Sénégal. C'est combien de titres, Malik Fall euh, euh, En Afrique Je suis à 5 titres de champion d'Afrique. Sur quel euh, Sur 50, 100 brasses et 200 brasses. Je suis à, pratiquement, sans compter de la zone 2, où j'ai eu une, trentaine de médailles peut-être. Et là, bah, je suis à une vingtaine de médailles. Et même au championnats de France, j'ai été plusieurs fois. J'étais le seul Africain à être dans le haut niveau. J'ai été 10 ans, 10 ans euh, euh, dans le top 5 le français. Et donc, je suis reparti en France pour apprendre parce que la fédération me faisait confiance, parce que je montrais des preuves. Quand je suis parti en France, après mon diplôme, j'ai arrêté ma carrière. Je reviens pour redonner au Sénégal ce qu'il m'a offert. C'était justement de découvrir ce monde-là, de découvrir en fait le, sport avec toutes ses valeurs. Donc je suis revenu pour apprendre à nager euh, aux jeunes, à, apporter mon expertise en fait avec les films nationales. Et même ça, euh, je suis maltraité là où on était en train de faire notre travail. Donc voilà, c'est ça la question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait Est-ce qu'ils veulent tuer la natation où, je parle des autorités de ce pays. Est-ce qu'ils veulent de la natation au Sénégal ou ils ne le veulent pas Nous, ce qu'on veut, c'est juste faire notre sport en, paix, en paix et qu'on respecte cette convention qu'on a. Parce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas venus à la piscine. Est-ce que la piscine aujourd'hui, c'est une piscine à euh, loisir ou c'est une piscine tout simplement parce que comme on, l'a signalé tout à l'heure, nous, nous ne sommes pas, contre le, loisir. Mais par contre, qu'on nous respecte à la piscine, respecte nos heures de travail. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des manifs est-ce que vous pensez qu'après le grand les ici, que nous avons le plaisir de recevoir, est-ce qu'il y a des J'aimerais dire d'abord, on a un gros défaut. On ne sait pas parler de nous. Et Malik parle difficilement de lui. Il parle de sa reconversion, etc. Mais Malik, c'est la fierté de toute l'Afrique noire. Mm. Malik, euh, quand il est au Nigeria, c'est des foules, c'est un stade plein qui se lève et qui crie parce que c'était le seul médaillé en dehors des, des, des, des, euh, Sud-Africains euh, de, de, race blanche et, et les Maghrébins. À l'époque, on disait que le, la race noire, le noir était trop long. Voilà. Donc il a démystifié, il a décomplexé ça. Et c'était une fierté. Vous savez, quand à Abuja ou un peu partout, mais c'était, grandiose quand il nageait. Et il a ouvert la voie à d'autres, Bint Zahra, Khadija 6, etc., qui ont, qui ont cru en elle et qui ont fait avancer les choses. Il a été 17e mondial. Ça dit dire qu'il était à une place d'une demi-finale mondiale vous savez que 16, ces 16 personnes, dans hein, les demi-finales, vous prenez deux Américains, deux Japonais, deux, deux Australiens, deux... on connaît hein, les pays, ça fait vite les 16. Euh, Malik, en 2009, a nagé au relais plus vite que le meilleur russe. En brasse, il a nagé plus vite que le meilleur russe. Et dans le cas où il rentrait, il y a le meilleur russe qui regarde les temps et qui regarde, qui dit ça c'est une blague, c'est pas possible. Qui est cette personne-là Et vous voyez, à l'époque, un chétif Mali, tout mince, tout fin, qui nageait plus vite que le meilleur russe, qui était un pays qui était à des projets de 500 piscines par an. 500 piscines, c'était ça que... Mais pour revenir, pour dire, euh, euh, euh, c'est un modèle. C'est un modèle et nos modèles doivent être respectés dans ce pays. On doit les respecter. Euh, euh, euh, moi, quand je rentre dans cette piscine-là et que l'on m'injure, mhm. alors que je viens de, de Tunisie, Auréole de, de médaille. De de médaille. Je suis secrétaire général de la Confédération africaine. Mhm. Tout le monde me respecte. Membre de la Fédération internationale. Membre de la Fédération internationale, on me respecte. Mais moi-même, je le serai. C'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude. Je, laisserai peut-être. De... Je le soin à un autre champion de parler du champion. Alors, Mohamed a beaucoup parlé de Mali, mais qu'est-ce que Mali peut dire de Mohamed hein? euh, Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que Mohamed fait partie de ceux qui ont ouvert la voie. Euh, en tout cas pour moi, euh, avec Tonton Malik fan qui, est aussi, qui était aussi l'entraîneur national. Euh, par des valeurs humaines, notamment, et, le respect, quelque part. C'est pour ça que nous sommes devenus des éducateurs, en fait, quelque part, parce que nous avons été guidés par des personnes comme Mohamed. Et qui a, il suffit d'aller au championnat du monde ou au championnat d'Afrique récemment, mais tous les pays, toute question que vous voulez, vous poser à Mohamed, il, il, est partout, aimé de tout le monde. Et si la Fédération internationale aussi a fait confiance au Sénégal, jusqu'à amener un énorme projet on s'est battu pour, contre des pays euh, comme l'Afrique du Sud, comme d'autres pays maghrébins, et ils disent qu'on va l'amener au Sénégal, il en a joué un rôle extraordinaire. Et justement, c'est ça qui nous, nous anime et c'est ça aussi qui nous fait aimer davantage l'adaptation. C'est ça ce qu'il a, a pu euh, faire justement. Et, juste, euh, euh, il n'y a aucun nageur au Sénégal malade qui ne va pas voir mon équipe. Tous les nageurs, dès qu'ils ont, même leur mère ou leur père malade, vont aller voir mon équipe. Et ils les soignent gratuitement. Donc cela veut dire que euh, c'est un être qui nous a animé de beaucoup de choses, de bonnes choses. En tout cas, moi, il m'a influencé en tant qu'homme. Et justement, c'est pour ça que je ne me vois pas venir insulter devant mes élèves une directrice ou non. On est des éducateurs. Et donc, voilà, Mohamed, en fait, moi, je, pas... je pense que parler de lui, en fait, euh, c'est aussi euh, euh, euh, lui rendre hommage de tout ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Et quand je. Mais, même mon père, ma mère m'appellent, oui, il va bien, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parce qu'il l'a montré, il l'a prouvé par son humanisme, par justement ce qu'il est. Et, justement, nous laisser la natation, ce serait de penser à eux, de vouloir faire comme ils ont fait jusqu'à présent, parce que nous, nous savons d'où vient la natation. On, est, on vient de très loin. Et là, on arrive à avoir des nageurs. C'est son travail. Et tu as même l'impression qu'il est le capitaine de l'équipe nationale parce qu'il est tout le temps en train. Il est même plus motivé que les nageurs. Il lui restait juste de mettre son maillot de bain et de plonger parce que je sais qu'il est capable de le faire. Et, et, c'est ça qui est, extraordinaire. Et ça, je pense que tous les nageurs du Sénégal le témoigneront parce que je ne suis pas un, bon parleur, mais je dis ce que j'ai dans le cœur par rapport à, tout ce qu'il a apporté à la natation, en tout cas à, nous, les nageurs, euh, jusqu'à présent. Gaston, l'ironie du sort, c'est que la personne, en 1982, dont je te parle, cher qui a été le, bâtisseur de cette piscine. C'est lui qui est allé, qui a vu euh, euh, l'architecte, qui est allé voir, qui a fait les démarches, qui a tout fait. Nous, on s'occupait du boulot dans l'eau, et lui s'occupait du travail administratif. L'ironie du sort, c'est qu'aujourd'hui, cher Sidania, et je rappelle qu'on a demandé même parce que cette piscine porte son nom, parce qu'il nous a quitté la veille de la zone 2. L'ironie du sort, c'est que c'est aujourd'hui son fils qui est notre meilleur nageur, qui a été l'une des composantes avec Steven de ce relais. Mmh. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que ce qui a été construit par ces gens, par Sidat, est en train de détruire. Et, la clairvoyance de ces gens, c'était le résultat qu'on a aujourd'hui. C'était le résultat. Et aujourd'hui, bon, Malik a dit beaucoup de choses, mais je ne fais rien d'autre, rien d'autre que rendre ce que l'on m'a donné. Mm. Parce qu'on m'a pris dans les bras à l'âge de 6 ans. Et c'est Sidat qui m'a pris dans les bras et qui a fait de moi le nageur que j'ai été. Et, la suite. Donc, nous allons nous battre. Euh, euh, je pense qu'on a été trop souvent conciliant, gentil. Parce qu'aussi, on avait devant nous des gens conciliants, gentils, et on a su euh, un gentleman. <laughs> parfois au détriment de la nation. Mais en gentleman, puisqu'on avait en face de nous des gentlemen, euh, aujourd'hui, de bëgg que Dengen ragal ñoo leen ëpp fit ñoo leen ëpp doole ah c'est euh, vous verrez que seule la vérité triomphera et aujourd'hui beaucoup de gens nous soutiennent beaucoup de gens nous soutiennent parce qu'il trouve inadmissible, il suffit de voir la pétition, inadmissible que euh, euh, l'on ait pu atteindre certains symboles de la natation. Parce qu'aujourd'hui, on a touché des symboles. Et, je, Malik en a parlé tout à l'heure. Vous savez, euh, dans le dispositif aussi de il y a la direction, mais il y a ceux qui s'occupent du bassin. Du bassin quand ceux qui s'occupent du bassin ont eu un candidat à l'élection avec le président Magadier, ont perdu et utilisent aujourd'hui cette posture pour, je pense, même, et je pense, envenimer les relations entre la direction et, et, et la fédération. Je dis ça pose problème. On peut ne pas être pour la fédération, mais on ne peut pas mettre un personnel contre la fédération. Et ça, si on le fait, ça veut dire qu'on combat la natation. Ça veut dire quoi On mm. combat le développement de la natation. On combat euh, euh, euh, le, président de la fédération. On combat les coachs de la fédération. Et au-delà, on combat tout simplement les intérêts du Sénégal qui s'inscrit dans des compétitions internationales, compétitions africaines, dans les championnats de l'Afrique mm. qui viennent de finir. On est arrivé au terme de notre émission qui était une bonne émission, assez intéressante, je suppose peut-être le mot de la fin pour euh, euh, Mohamed, je 19 ans président de la Fédération de natation. Alors, si on voit bien, 6 ans. Ils ont aussi, 20 ans équipe nationale. 20 ans équipe nationale. Ça fait déjà 40 ans. Ça fait déjà 40 ans. Il rentrait à 6 ans sur Audissonnage aujourd'hui. C'est plus de 50 ans dans la natation. Et qui continue de nager. Euh, alors, je pense que c'est les vétérans. Oui, les championnats du monde master. Où j'ai eu des médailles aussi bien en 2015 à Casal qu'en 2019 à Guangzhou et lors de certains meetings à, Tunis. Euh, euh, en 1989, Ablaï Dabo me disait Tu nageras jusqu'à quand Et je lui dirais Jusqu'au jour où mes épaules tiendront. Ablaï Dabo, RTS, qui me faisait une interview et il me disait Tu nageras jusqu'à quand Et c'était ça la réponse. Je crois que mes épaules tiennent jusqu'à présent. Donc j'ai encore quelques. quelques... quelques mais, mais, pour dire, pour dire euh, ça pour moi, tout ça, c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène. C'est qui est le plus important, là où on doit mettre le doigt, nous devons développer cette discipline. Nous devons la développer avec le maire de Dakar. Nous devons la développer avec le président du comité olympique sénégalais. Nous devons la développer avec le ministre des Sports. Et même avec les autres maires du pays. Avec les autres maires, bien sûr. Mais là, je parlais de cette infrastructure. C'est un devoir. Et je pense que euh, euh, euh, nous sommes quand même assez habilités, mûrs, pour pouvoir donner les bons conseils. Et je pense que les bons conseils ont été entendus par le maire Khalifa. Les bons conseils ont été entendus par Sol, Et le discours qu'on a eu avec le maire Barthélémy Diaz nous croire qu'il a beaucoup d'ambition pour le développement de la natation. Et que donc cette phase, on va la passer très rapidement. Je l'espère, s'il nous entend. On va la passer très rapidement et on va passer vers une, une, une, une structure où euh, le développement de la natation sportive sera une réalité. Sera une réalité. Et, voilà, je pense que très rapidement. En tout cas, euh, nous avons cessé les activités. Jusqu'à présent, aucune activité. Euh, oui, oui, mais il faut être clair. C'est pour des raisons sécuritaires. Très bien. nous voyons mal aujourd'hui exposer des enfants dans une telle violence. Il faut protéger les enfants et le modèle. Alors, et pour nous, il n'est plus pensable en tout cas que ces deux entités fréquentent ensemble euh, euh, l'institution, sinon on, risque d'aller au drame. Vous demandez le départ de la directrice c'est, Non, c'est même pas une demande, c'est une logique de gestion. Si on accepte cela, ça voudrait dire que demain, des membres fédéraux pourront être injuriés et violentés. Ça, on ne l'acceptera plus. C'est la guerre qui est déclarée Non, c'est pas, pas, la... guerre, mais euh, euh, euh, soyons un peu. c'est pas la guerre. il faut, savoir les il faut savoir les garder et savoir jusqu'où les gens peuvent. Jusqu'où et, il y seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Et je vous assure que le manque de réaction aussi et encore peut-être aussi violent que ce qui s'est passé. Absolument. Mali, peut-être euh, donc pour euh, des questions, d'aller dans, dans, ces conditions. Euh, ah. Aucun risque, vous ne prendrez aucun risque pour aller le mot de la fin à la piscine olympique. en tout cas, dans cette, dans cette configuration violente. Je pense que nous, ne sommes pas prêts à aller à la piscine olympique. C'est pour ça que nous avons boycotté la piscine. Il faut le dire. Parce que bon, la situation aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit tantôt, nous organisons des Jeux Olympiques de la jeunesse. En 2026. 2026. Et nous avons plein de projets là-dessus, mais nous ne pouvons pas les réaliser. Et sans la réussite olympique, impossible de représenter une équipe compétitive et, en, et on nous met les bâtons dans les roues pour pas qu'on réussisse. Justement. Et, réussir cela, c'est le Sénégal qui réussit, parce que c'est le Sénégal qui sera représenté. Donc ces gens-là sont contre le Sénégal. Et donc c'est pour ça que les autorités, le ministre qui veut développer le sport et qui le dit partout, venez nous voir, monsieur, euh, monsieur le ministre. Nous avons des projets pour cela. Le comité olympique également. Nous, nous travaillons avec vous et nous allons faire tout notre possible. C'est pour cela que j'ai quitté la France pour venir au Sénégal pour apporter mon expertise. Et beaucoup d'autres le font aujourd'hui. Donc là, nous attendons justement une réaction pour l'intérêt des Sénégalais. Parce que nous sommes là pour l'intérêt des Sénégalais. Donc, euh, nous ne pouvons pas nous exposer à la piscine, nous mettre en danger, parce que c'est la seule solution plus sage qu'on a trouvée. Nous ne pouvons pas aller là-bas nous, une fois de plus, se faire attaquer, on réagit. Et c'est là parce que le Sénégalais, comme vous l'avez Sénégalais, le qui toye, qui fayu la nous sommes ñun beaucoup ñi Donc, dañuy là les autorités nous jël ces responsabilités en tant que euh, euh, euh, euh responsable de mettre à, terme cette histoire qui dure depuis longtemps, que nous subissons, que nous avons exposé nos enfants, les enfants des autres, euh, devant des gens aussi violents. Et, voilà, j'espère vraiment que le, maire de Dakar, Barthélémy Diaz, nous écoutera avec beaucoup d'attention, et notamment le ministre des Sports et le comité olympique national. Donc voilà, on est là pour développer. Et le sport, ça rassemble, mais ça ne divise pas. Rien que pour cette, idéologie, euh, je pense que devons aider ces gens-là. Nous devons aider ces jeunes-là. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance que ces jeunes-là ont aujourd'hui. Si j'avais la chance d'avoir un entraîneur ici au Sénégal, je ne serais jamais peut-être parti en France. Quitter terre, père, mère, tout ce que vous voulez de plus précieux pour réussir. Justement, on arrive à le faire et on nous laisse, on nous jette comme ça dans la gueule du loup, c'est comme ça que je l'appelle. On nous a jeté dans la gueule du loup aujourd'hui et, attendre que voilà, les choses se passent. Les choses ne se passeront pas. Il faut prendre des décisions. Nous ne pourrons, plus travailler avec cette directrice qui nous maltraite au lieu d'appeler euh, justement la sécurité de la piscine pour mettre de l'ordre, mais qui va, qu'elle va appeler des pour régler ces problèmes. Donc on en est là aujourd'hui dans, ce pays et c'est un jeune qui vous le dit, euh, les, responsables de ce pays. Non, mais je voulais juste dire, c'est même pas une histoire de la natation. C'est pas une histoire de fédération de la nation. Je demande aux journalistes de ce pays de faire un micro totoir sur le feedback que les populations ont hein? sur la piscine. Parce que si on veut faire avancer les choses, cette piscine, elle appartient aux Dakarois. Que les Dakarois disent ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, le feedback qu'on a, c'est qu'on veut que la natation se développe, on veut que le, sport se développe, mais on veut aussi une piscine qui attire. Et ça, c'est tous les Sénégalais qui doivent se battre pour ça. Une piscine qui appartient aussi bien aux Dakarois, aux Sénégalais qu'à l'équipe nationale. Nous étions avec. Euh, Docteur, docteur, moi avec Joe, médecine sportive, hein, tout le monde a parlé docteur, jusqu'à maintenant d'ailleurs on en parle, 19 euh, ans à la fédération comme président, aujourd'hui membre du bureau, euh, euh, qui est aussi secrétaire général de la Confédération africaine de natation, membre de la Fédération internationale de natation, plusieurs fois champion pour les vétérans, une grande carrière, en tout cas comme international et comme nageur, et à ma droite c'était c'est pas malifal, qu'on ne présente plus, peut-être les jeunes ne connaissent pas ce grand champion, auréolé de 5, auréolé, autant pour moi, de 5 médailles euh, de champion d'Afrique, c'est pas pour le Sénégalais le plus titré en termes de notation, voire l'Africain, en tout cas le plus titré. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Malière Club Sport qui donne rendez-vous pour nous. Merci beaucoup. Merci.